nous ne ko deux ans gars a commencé à calculer ne du fa le truc il a sorti les emplois nets il est à 491 000 emplois ça veut dire sa modestie son humilité il a bay les calculer emploi net mais si nous regarde les emplois réellement créés sans nous déduire les sortants il a dépassé les 500 000 aujourd'hui ah. nous avons attaqué l'industrialisation l'industrialisation l'industrialisation du pays mais ñu wax rek né bu ñu dina fa yegg mais avant d'industrialiser il faut poser d'abord les bases de la production le président Macky Sall a réglé ce problème le capital semencier arachidier ça c'est le président Macky Sall qui l'a résolu xana industrialiser il faut d'abord produire et aujourd'hui, le problème de la production est en phase d'être réglé pour l'arachide, pour le riz, pour les oignons, pour la tomate et tout le monde, on a battu des records de production. Quel Mosuko Gis Sénégal Ça, c'est avec le président Macky Sall. Damané, Damané, Wahdi Wahdi, Dingen Deg Aïni Lignou, nous avons des plans, nous avons des plans pour développer le Sénégal. Mais ces plans, yep c'est des plans qui ne sont pas encore praticables parce que le seul plan qui a été validé par les cadres de l'administration sénégalaise et qui a donné ses preuves par son pape 1, c'est le PSE du président Macky Sall. Et à partir de ce moment, et à partir de ce moment, vous les nangou, nous avons des solutions Google, nous avons des plans qui été financer alors que nous on a fini d'exécuter la première phase de notre plan et on est sur la deuxième phase kon kooku dama ne amatul dara lu muy amatul maintenant nous sommes au Sénégal Sénégal où la démocratie se limite à ce que la minorité dise que la majorité n'est pas droit à la parole loolu la nouvelle démocratie définition de la démocratie que les opposants veulent nous montrer C'est ce que nous nangu duñu parce que le le Ndiaye disait luñ koy wax ñun le non n'a de sens que si on peut accepter de dire oui et aujourd'hui la majorité des Sénégalais ont dit à oui au président Macky Sall oui pour son courage politique oui pour sa volonté oui pour sa vision et je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui ce qu'on taxaw L'année que ko lu mu def lu mu mës a liggéeyal Sénégal kon boobaa suñu candidat beaucoup ak yenen candidat yi ngeen xamee ko candidat c'est le candidat de l'espoir c'est le candidat qui a fait ses preuves qui a battu tous les records yu rappelez-vous en 2007 rappelez-vous en 2007 pour moins de 5 km d'autoroute lan lañ aujourd'hui on a fait plus de 200 km d'autoroute lu ñu wax nag dañ siy ñooy ndaxte ay jullit lañ mais sañ nañ jóg taxaw ne kii dañ koy jox deuxième mandat pour mu yeggali mu yéene Sénégal maa ngi leen di gërëm di leen sant vive Macky Sall vive Macky